Le forum du studio Le forum du studio Kalamkou. Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Le forum du studio Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Studio Kalangu dont vous suivez en direct les programmes grâce à son réseau constitué de 20 radios partenaires disséminés à travers le Niger. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu renforcer le dialogue entre communautés chrétiennes et musulmanes du Niger en vue de la consolidation de la paix, consolider la compréhension mutuelle entre associations et leaders religieux en vue de la prévention des conflits intra-religieux. Ce sont là les principales missions Dissédir, Le CEDIR, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le comité de dialogue interreligieux, un instrument national de prévention et de gestion des conflits d'ordre confessionnel dans lequel sont représentées toutes les sensibilités religieuses du Niger. Le dialogue, une des valeurs que défend le studio Kalangu. C'est d'ailleurs dans ce sens que le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle a signé une convention de partenariat avec le CEDIR. Le studio Kalangu et le CEDIR conviennent pour promouvoir et mettre en avant le dialogue inter- et intra-religieux en vue d'une paix durable au Niger. Et justement, le thème du forum qui nous réunit ce soir tournera autour des dialogues inter- et intra-religieux. Quels sont les fondements théologiques des dialogues inter- et intra-religieux Quelle est l'importance des dialogues inter- et intra-religieux, quels sont les principaux points qu'il faut considérer dans ces deux types de dialogue, comment réussir ce dialogue, comment rendre pérennes les acquis de ce dialogue. Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité quatre personnes membres CEDIR, à savoir Sheikh Barham Aboubakar Kyota, président CEDIR, et Alou Maïga, secrétaire général CEDIR, Père Antoine Chinou, secrétaire général adjoint CEDIR, et Pasteur Midouzakou qui est le trésorier du CEDIR. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum du studio Je le disais en introduction, le forum de ce soir porte sur les dialogues inter et intra-religieux. Pour ce faire, nous avons invité quelques membres du CEDIR, le comité de dialogue interreligieux, qui s'est justement assigné comme mission la promotion du dialogue entre différentes confessions religieuses. Tout de suite, nous allons débuter par cette question quels sont les fondements théologiques des dialogues inter et intra-religieux selon les religions. Nous allons commencer avec vous, Père Antoine Chenou le fondement, c'est la base de notre foi même. ce, dialogue, il n'est pas, théorique, il n'est pas facultatif, il n'est pas secondaire. Il fait partie vraiment de, notre foi. On doit dialoguer. Dieu, le premier, est entré en dialogue avec l'humanité, avec nous. Dieu s'est révélé à nous. Dieu est entré en dialogue avec nous et il nous a demandé d'être en dialogue avec l'humanité tout entière. Donc c'est cela. La, base, là, c'est Dieu lui-même. C'est notre foi. Ça fait partie de notre foi. Alors, Sheikh Barham, président du CEDIR. Oui. Les bases théologiques selon l'islam de, du dialogue inter et intra-religieux. Effectivement, l'islam aussi est une religion de dialogue, une religion d'ouverture, vous savez, puisque c'est une religion universelle. On ne peut pas être une religion universelle si on n'a pas dans son agenda le dialogue. vous voyez que euh, l'homme est, un, est, une créature de dialogue, euh, qui, doit parler, qui doit agir, euh, interagir. Donc c'est pourquoi dès l'aube de l'islam, c'est-à-dire dès le premier pas de l'islam, l'islam a dialogué avec les chrétiens. Euh, l'islam n'a pas attendu euh, qu'il y ait une révélation d'un verset ou de quoi que ce soit. Les premiers actes posés par le messager d'Allah, le prophète Mohammed, c'était euh, de concrétiser ce dialogue sur le terrain de, de l'humanisme. Car au tout début, ses compagnons étaient traqués, menacés, assassinés. Qu'est-ce que le messager d'Allah a fait Il a eu le réflexe d'envoyer euh, euh, ses amis, ses copains, euh, chez un roi d'Abyssinie, actuelle Éthiopie, pour demander un asile politique à ses compagnons. Les compagnons, effectivement, ont été bien reçus. le souverain d'Abyssinie s'appelait Najashi. C'était un grand chrétien. C'était un homme qui défendait la foi, les principes, les, valeurs chrétiennes. Donc vraiment, il les a reçus, lui aussi, sans beaucoup de conditions. Il a simplement demandé de, leur parler de l'islam. Lorsque ces gens-là ont eu euh, l'éloquence de leur lire la, la sourate de Mariam, qui s'adresse aux chrétiens en quelque sorte. Donc il a dit, mais ce qui nous sépare de vous n'est pas aussi large que ce trait. Il a tracé un trait euh, sur le sol avec sa, canne. Donc voilà euh, un, un, type de dialogue. Par la suite, il y en a eu beaucoup d'autres. Merci. Nous allons nous tourner vers euh, vous, euh, pasteur Zakou Hamidou. D'abord, faites-nous un peu la différence entre le dialogue intra religieux et le dialogue interreligieux et euh, l'importance de l'un comme l'autre. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment pour cette question combien importante. Et merci pour tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Et effectivement, le dialogue inter et intra-religieux, tout d'abord, quand on parle de dialogue, on parle de rencontre, de, euh, c'est-à-dire le fait que les gens se retrouvent pour parler, pour partager. Et nous avons le dialogue inter et intra. Le dialogue inter-religieux, c'est entre les religions, les grandes figures religieuses que nous avons ici au Niger. Nous avons euh, l'islam et, le christianisme. Voilà, donc le dialogue entre les musulmans et les chrétiens, c'est ça que nous appelons le dialogue interreligieux. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le dialogue intrareligieux, cest c'est-à-dire ça c'est en interne, parce que dans toutes les grandes religions, nous avons des, des, des, des, c'est-à-dire nous avons des, voilà, des sensibilités voilà, religieuse, Par exemple, au niveau de l'islam, il y a beaucoup d'autres sensibilités. Et au niveau de la foi chrétienne également, nous avons les catholiques, nous avons les protestants, les évangéliques, etc. Donc, c'est entre ces différentes euh, religions euh, ou bien ces différentes sensibilités religieuses que se trouve en, euh, intra, donc la conversation entre ces différentes sensibilités pour que les gens se comprennent et pour pouvoir mieux travailler ensemble et puis pour pouvoir mieux construire le peuple d'abord du point de vue social, mais aussi du point de vue spirituel pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle les religions existent. Voilà. Donc, euh, Alou, euh, l'Omega, mega euh, le dialogue interreligieux et intrareligieux, quelle importance donc, euh, l'importance du dialogue inter ou interreligieux, il faut d'abord prendre l'importance de l'être humain en tant que créature divine. C'est l'être humain même que Dieu a magnifié et il l'a créé à son image. L'être humain est très important au point de vue de Dieu dans sa clémence et dans sa miséricorde. À partir de là, dans toutes les religions monothéistes, l'individu, l'être humain est considéré et a droit à une considération. Et c'est là la base même. Alors vous êtes, personne ne peut se dire croyant tant que ce que tu veux, tu ne le veux pas à l'autre. Hein. Donc, ton frère, ton voisin, tout ce que tu aspires ou tu voudrais pour toi, mais il faut le vouloir. À partir de là seulement, tu peux te croire, te, te croire croyant hein, en suivant les recommandations divines. Donc, le dialogue inter-interreligieux, comme on le dit, interreligieux, le problème ne se pose pas très souvent d'une tête acuité comme dans l'intra. Puisque dans l'inter, toutes les religions monothéistes sont d'accord qu'elles sont toutes d'origine divine et qu'on doit s'accepter, se tolérer et s'entraider pour que le bien vivre soit une réalité pour tout un chacun. Mais au niveau de l'intra, c'est là où il y a des sensibilités. Dans chaque grande euh, religion, il y a des sensibilités un peu euh, différentes qui s'entrechoquent et surtout qui, comme l'être humain étant ce qu'il est, chacun cherche à dominer l'autre par, euh, la manière dont il croit hein, hein, suivre les recommandations divines. Hein. Mais en réalité, Dieu, il est un. Père Antoine, chez nous, le dialogue intra-religieux, quelle importance Tout dialogue est important. On est fait pour dialoguer avec tout le monde, que ce soit inter euh, ou intra, et il faut dialoguer. Malheureusement, on, a, vous parliez de domination tout de suite, là, Alou, c'est, euh, il y, a, l'orgueil humain. Il y a l'orgueil humain. Et on, a l'impression que ce que l'on pense, c'est ce qu'il y a de mieux, et on voudrait l'imposer à l'autre. Un jour, il y avait euh, les disciples de Jésus qui étaient autour de Jésus, et Jésus leur dit, mais de quoi discutiez-vous tout de suite Ah, on discutait, quel est le plus grand parmi nous Et Jésus leur a dit, le plus grand parmi vous, c'est le serviteur. C'est celui qui se fait le plus petit. C'est lui le plus grand, le serviteur. Rien n'est plus grand que, l'humilité accepter que l'on n'a pas la vérité tout entière. La vérité ne m'appartient pas. La vérité, c'est Dieu. Et Dieu nous, révèle des, portions de vérité. Et je peux m'appuyer sur mon frère pour m'enrichir de la vérité telle qu'il, la voit, telle qu'il la pense. Et on va s'enrichir les uns les autres. C'est ça le dialogue. C'est pour s'enrichir les uns les autres afin de grandir ensemble sur le chemin de Dieu. Cheikh Barham Aboubakar, l'importance du dialogue euh, pour Père chez nous, euh, c'est vraiment pouvoir s'appuyer sur les uns et les autres afin de s'enrichir oui, Effectivement, dans la mesure où toutes les grandes religions ont une mission euh, salvatrice, une mission euh, de pacification des, sociétés humaines. Et euh, pour y parvenir, le dialogue est un des instruments privilégiés que ces religions sont obligées d'utiliser. par exemple, pour même à mener leur propre mission en tant que religion. Chez les chrétiens, on dit apporter la bonne parole. Chez les musulmans aussi, on dit la même chose, on dit pareil. La parole qui fait plaisir, qui donne la joie, et la parole qui fait peur, c'est-à-dire qui fait peur des conséquences de, toute transgression de la loi d'Allah, euh, donc qui font peur à l'au-delà. Donc c'est ça qu'on appelle Bashir Najir, c'est-à-dire le prophète Mohammed c'est un de ses qualificatifs, c'est quelqu'un qui est là venu pour donner la bonne parole qui fait euh, plaisir et la parole qui fait peur en même temps. Donc euh, vous voyez, donc c'est des gens qui, qui, se déplacent avec une parole. ça veut tout dire sur l'importance de ce dialogue. Il faut ce dialogue pour que ces religions puissent apporter la bonne parole aux, gens. On ne doit pas les leur imposer. Ça demande encore du dialogue. Ensuite, quand on quitte ce terrain euh, purement euh, de prosélytisme, on, vient sur le terrain social où les religions sont appelées à, cohabiter musulmans et chrétiens, musulmans entre eux, etc. Donc, euh, il faut là encore dialoguer puisque, comme l'a dit euh, euh, euh tout à l'heure, euh, et, Pasteur, il y a des sensibilités, il y a des divergences de points de vue dans la lecture des textes révélés. Donc, ça peut amener souvent des heures. Donc, tout cela a besoin de dialogue pour que ces religions puissent vraiment amener leur mission sans heures, sans vraiment créer d'autres problèmes. cela nous amène à aborder la deuxième partie de cette émission qui concerne les difficultés pour la concrétisation de, ces deux types de dialogue, à savoir le dialogue inter- et intra-religieux. Nous savons que le CEDIR a des antennes un peu euh, au plan régional. Euh, j'ai vu qu'au total, six régions, euh, excepté Tilaberi et Agadez pour le moment, au plan communal, tous les arrondissements communaux de Niamey ont été dotés de réseaux un bref rappel euh, de ce que fait le CEDIR sur le terrain dans le domaine de la promotion du dialogue inter et intra-religieux. Comment ça se passe je me, dirige vers vous, euh, Père Antoine, chez nous. Bon, à notre niveau, au niveau du bureau, on se rencontre fréquemment. On arrive maintenant à se connaître, à s'apprécier, à s'écouter, à tenir compte des avis des uns et des autres. Musulmans chrétiens. Musulmans chrétiens. Hein. Euh, là, je crois que pour, pour jusqu'ici, on n'a pas eu, on n'a vraiment pas eu de problème. Bon, alors maintenant, on a, mis sur pied des comités dans les, mairies. Là, on sent qu'il y a besoin d'une formation parce que les gens ne sont pas tellement habitués à, ça, à cette, nouveauté, je dirais. Là. Il faut les habituer à sortir de même, à sortir de leur mentalité même, pour épouser le fait que, ah oui, on est, les uns à côté des autres et, on, peut, on peut mieux se connaître. Peut-être ce serait bien de mieux se connaître pour mieux s'apprécier, pour, euh, encore une fois, pour, pour s'épauler les uns les autres et, grandir. La formation, vous, parlez, Vous, faites allusion au bureau qui a été mis en place, les bureaux, qui est chargé de, de mener les activités de promotion. Les, bureaux, et puis maintenant ceux que les bureaux vont toucher, on organise déjà quelques conférences ouvertes sur euh, la paix, par exemple, où il y a des, il y a des gens étrangers au bureau qui viennent. C'est nouveau pour eux. Parfois même, c'est la première fois qu'ils s'asseyent qui s'assoit là euh, en présence d'un chrétien ou avec un chrétien et qui entendent euh, une, parole chrétienne qui leur est annoncée. Bon, ça c'est une ouverture appréciable qu'il faut encourager et qu'il faudra continuer. Alors, euh, allô Maïga, euh, sur le terrain, comment ça se passe réellement, concrètement Comment ça se passe le dialogue Comment est-ce que vous vous attelez à promouvoir ces dialogues entre les différents fidèles donc, euh, sur le terrain, euh, j'appuie également ce que vient de dire Père Antoine. C'est-à-dire que nous avons déjà eu la chance d'asseoir cinq comités de dialogue dans les cinq arrondissements de la ville de Niamey. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est un renforcement de capacité de ces membres de ces CEDIR-là. Parce que, comme vient de le confirmer déjà Père Antoine, les gens n'avaient pas l'habitude d'écouter. Or, il faut écouter l'autre pour entendre être certain de ce qu'il pense de toi. Généralement, on a des, des idées préconçues qui vous induisent en erreur. Hein, vous croyez que l'autre ne vous prend pas en estime ou ne considère pas votre religion alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Mais en l'écoutant, tu dois te rendre compte qu'en réalité, comme le disait tout de suite Cheikh Brahma, il n'y a pas grande différence qui vous, qui vous différencie. Vous êtes tous dans des religions monothéistes et que la parole de Dieu, elle est unique pour tous ces prophètes. Est-ce que, est -ce que ces comités de leurs travaux arrivent à toucher un, grand public euh, En tout cas, ce que, ce que nous a réconforté, c'est qu'un peu partout où nous avons été, les salles étaient combles. il y avait où on pouvait dire autant de chrétiens que de musulmans, bien que nous savons que notre pays euh, renforme plus de musulmans que de chrétiens, mais la proportion des chrétiens et des musulmans qui étaient là était sensiblement presque la même et c'était très réconfortant. Il n'y avait même pas, si c'est pas le gars qui te dit qu'il se présente et je suis chrétien ou je suis musulman, tu ne peux pas voir la reconnaissance. Et puis ce engouement nous a vraiment renforcé dans notre idée de continuer Hein, la lancée dans laquelle nous sommes pour le CDIR, le comité de dialogue interreligieux, puisque c'était une attente de tout un chacun et qui se réalise sans qu'on le sache. Pasteur Zakwamidou, euh, est-ce que déjà euh, euh, il y a des résultats auxquels vous pouvez vous, féliciter, des résultats des travaux du CEDIR notamment euh, en ce qui concerne la sensibilisation, la promotion du dialogue inter-intra-religieux. Est-ce que déjà on peut constater quelques, quelques résultats Oui, effectivement. Pouvons dire qu'il y a beaucoup de résultats d'ailleurs, parce que avant vraiment euh, le CEDIR, avant ces formations qui ont eu lieu, avant ces rencontres que nous avions eues avec les religieux de toute obédience, il y avait beaucoup de méfiance les uns à l'égard des autres. Mais suite à ces formations-là, aujourd'hui, vraiment, je peux le dire, je peux affirmer sans hésiter, dire que vraiment, il y a un grand changement. Parce que moi, personnellement, à Kouarategui, j'ai réalisé que le travail qui a été fait n'est pas vain. Parce qu'il y a des gens qui, avant, quand ils me voyaient, ils me voyaient comme un mécréant, comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec eux. Mais après, ils se sont rendus compte que, ah, ces gens-là, ce ne sont pas des gens euh, qui, ne connaissent pas Dieu, ce ne sont pas des mécréants comme ils le pensaient. Et l'autre fois, j'ai donné même un témoignage, un marabout qui me méprisait, qui, quand il me voyait vraiment, c'est avec dédain. Mais après ces conférences-là, un jour, il m'a trouvé au marché. Et c'est lui-même qui est venu vers moi, il me dit, pasteur, bonsoir, est-ce que tu es venu à pied ou bien tu es, tu véhiculé J'ai dit, je suis à pied. Il dit, viens, je vais te ramener à la maison. Donc, il m'a pris sur sa moto, il m'a conduit jusqu'à ma porte et il m'a fait descendre. Et depuis là, vraiment, quand on se rencontre en ville, c'était de la joie, un partage tout à fait noble. Donc cela a eu comme impact euh, le changement du regard le des autres. Le changement de comportement. Sur... Oui, le changement de comportement, de mentalité, de regard sur l'autre. Et il n'est pas le seul. Je peux vous narrer vraiment un certain nombre d'exemples oui, que moi j'ai constaté à Kouartegui. Donc euh, il y a vraiment un résultat. Cheikh Barham Aboubakar, on sait que dans ce, travail, en tout cas de promotion du dialogue inter interreligieux, il ne peut pas y, manquer de, difficultés. Est-ce que vous pouvez nous citer les grandes difficultés que le CD rencontre pour pouvoir, en tout cas, instaurer ce dialogue, pour, concrétiser ces dialogues inter et intra-religieux Effectivement, la première des difficultés, c'est celle que Pasteur Midou venait de relater, la méfiance mutuelle euh, vous savez que ces religions ont eu à s'affronter dans des passés très lointains. Les musulmans et chrétiens, avec euh, la guerre qu'il y a eu de tueries abominables. Donc beaucoup de prédicateurs euh, ont tendance à ne pas oublier cela et, et c'est ce qui fait qui entretenait cette méfiance là. Donc euh, parmi une autre difficulté, c'est le fait que beaucoup de gens pensent que le dialogue, c'est seulement fait pour musulmans et chrétiens, les mettre dans une salle euh, pour, pour, discuter, et euh, faire accepter la religion de l'autre à l'autre, ou bien même convertir l'autre à la religion de l'autre. Non, le dialogue, ce n'est pas ça. Donc, le dialogue, c'est d'amener les, les uns et les autres, malgré leur divergence de, religion à s'accepter dans le quartier, dans la ville, dans la vie tout simplement, euh, puisque c'est des citoyens des mêmes pays et qui sont régis par les mêmes lois. Donc, euh, euh, surtout que les religions qu'elles prenaient sont des religions de, paix. Mais sont des religions qui demandent vraiment le respect de l'être humain. Le prophète Mohammed il disait, si vous êtes un croyant, honorez votre voisin il dit honorer votre voisin. Donc, euh, il n'a pas dit respecter votre voisin. Honorer, Honorer là, c'est un respect et c'est le degré ultime du respect. Donc, il dit de l'honorer. Il n'a pas spécifié ce, ce, voisin, qu'est-ce qu'il doit être ou bien quelle croyance il doit avoir. Non, il a dit voisin, point. Mais est-ce que, est que, en dehors de la méfiance, est-ce que euh, il y a d'autres grands obstacles qui euh, contre, euh, qui se dressent face à ce dialogue que, en tout cas, le CEDIR voudrait mettre en place Oui, ce dialogue, on ne le fait pas seulement entre, entre nous religieux, mais aussi on le fait euh, pour la société aussi, pour les gens qui sont de l'extérieur, pour qu'ils aussi ils puissent suivre les, leaders religieux dans leur euh, vision des choses. Euh, il y a aussi les difficultés à l'interne, comme on vient d'en parler. L'intra-religieux sur sur ce plan aussi, les difficultés ne manquent pas, puisque même à l'intérieur d'une même religion, le point de vue diverge souvent et ce n'est pas toujours facile de les réconcilier. Moi, je peux vous dire que il a été plus facile pour les religions de, dialoguer en, inter plutôt que de dialoguer euh, en intra. Alors, euh, euh, Père Antoine, chez nous, le dialogue est, Cheikh Aboubakar l'a dit, est plus facile en inter entre les religions musulmanes et chrétiens plutôt qu'en intra-religieux. Pourquoi <coughs> Disons qu'ici, par exemple, au Niger, on travaille effectivement plus au niveau de, de l'inter bon, quand on pense au dialogue euh, religieux, là, tout de suite, on, est branché sur la religion d'à côté, c'est l'islam. Bon, donc, on, essaie de. Et puis, il faut bien le dire que dans le pays ici, là, euh, la, quantité de musulmans qui nous entourent fait que, dans, le quotidien, on, vit au milieu des, des, des, musulmans. Les chrétiens, faut les, faut les chercher. Hein. Alors, euh, on, travaille effectivement beaucoup plus la, bonne relation du voisinage. Là, on parle de relation ou de, formation au niveau du CDR. Mais c'est dans le quotidien le, dialogue. C'est, avec mon voisin de concession. C'est, euh, voilà, aimer son voisin, comme, comme disait Chèque tout de suite là. Le, voisin, lui rendre service, le visiter, lui souhaiter la bonne fête, faire, euh, vivre ensemble et vivre une qualité. au niveau de la concession, on peut s'organiser s'il y a un chrétien, s'il y a un musulman, pour améliorer la concession. Hein, mais Pourquoi, pourquoi, vous avez, pourquoi c'est si difficile d'instaurer ce dialogue en intra-religieux intra-religieux, c'est plus difficile parce que... les membres d'une même religion. Voilà. Alors parce que on a on a des, des, oui des mentalités des mentalités différentes et tout là et on s'appuie peut-être sur des sur quelques quelques principes des, quelques principes la, base est la même mais quelques principes qui, qui ne sont pas toujours les mêmes et alors euh, souvent c'est, ça, ça, touche un peu des mesquineries hein. ça touche un peu des mesquineries et ça faut faut éviter ça faut éviter. Allô Mega, vous êtes d'avis avec euh, vos prédécesseurs sur le fait sur la difficulté d'instaurer le dialogue en intra plutôt qu'en inter-religieux euh, Je suis tout à fait d'accord avec mes prédécesseurs, aussi bien Cheikh Abraham et Père Antoine, puisque à l'intra, le problème, c'est que dans la religion, il y a des, ce que nous, nous appelons des tendances. Hum. Et ce sont ces tendances-là qui sont difficiles à concilier parce que chacun croit que ce qu'il a de la tendance qu'il a prise là est la meilleure et qu'il cherche à négliger ou minimiser. Tout à l'heure, on disait qu'on cherche à s'imposer des autres. Or, c'est là où le problème se pose en intra. Hein. Et c'est ce que nous, au niveau du CEDIR, nous appelons chaque fois les gens à la raison. Hein, entre religieux d'une même religion, mais en tant que musulman, en tant que chrétien, on n'a pas le droit de chercher à trouver l'autre moins que vous, moins chrétien ou moins musulman que vous. Vous êtes tous musulmans à partir du moment où vous n'avez qu'un seul Dieu, une seule religion, et que vous tous, vous êtes là pour suivre les prescriptions divines. Donc, quel que soit le chemin que tu prends pour aller rencontrer ton Seigneur et Créateur, alors, donc, cela ne veut pas de toi différent de l'autre. Il faut le respect, surtout c'est le respect qui doit être primordial entre euh, les religieux. Et comme le dit tout de suite Sheikh Abraham, on dit il faut honorer ton voisin. Donc, il faut honorer ton, frère musulman au même titre que toi-même. Ce que tu voudrais pour toi, il faut le vouloir à l'autre. Et en ce temps seulement que tu peux te dire religieux ou musulman ou chrétien. Euh, euh, pasteur Zakou, c'est le dialogue en intra-religieux c'est plus difficile finalement. n'est-ce pas là un risque pour, pour ceux que vous prônez Est-ce que, est-ce que ce dialogue intra-religieux euh, ne constitue pas euh, en tout cas un risque pour euh, l'atteinte de l'objectif d'y séduire euh, eh S'il n'est pas bien instauré, je vais dire. Effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, le dialogue intra-religieux est plus compliqué que le dialogue interreligieux. D'autant plus qu'en intra, surtout maintenant, quand on rencontre effectivement des nouveautés, il y a tellement de nouveaux maîtres qui viennent souvent avec des nouvelles théologies et qui veulent montrer que leur théologie est supérieure. C'est la nouvelle théologie, c'est des nouvelles techniques, c'est ceci, c'est cela, et ils ont tendance à mépriser ce qui était ancien. Or, nous savons que <laughs> la réalité est tout autre. Parce que quand on se réfère au texte, n'est-ce pas, on va voir que la base est la même. Mais le fait que maintenant d'autres partent dans d'autres écoles théologiques, bon, quand je dis des écoles théologiques, ça veut dire dans les écoles de théologie aussi bien au niveau des chrétiens qu'au niveau des, musulmans. Donc quand ils reviennent, et surtout, Sheikh Cheikh Barham a touché un aspect très important, c'est-à-dire il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé qui font en sorte qu'aujourd'hui, dans certaines écoles, on enseigne une certaine haine même à l'égard de certaines obédiences. Et on perpétue du coup la méfiance. Effectivement, parce que quand ils reviennent, donc maintenant, dès qu'on voit les autres, là, on dit non, attention avec eux, voilà, voilà, voilà, voilà. Et on, sème des graines, en tout cas de méfiance, on sème des graines de haine alors qu'on devrait se rapprocher, parler, partager, voir les points de vue qui convergent au lieu de voir ceux qui divergent. Et comprendre le bien fondé de se retrouver et de créer en tout cas un climat de paix pour pouvoir promouvoir vraiment la paix sociale, la consolidation, le travail en équipe et puis effectivement avancer vraiment euh, dans la construction nationale du point de vue social et puis spirituel, d'autant plus que nous savons que un temps viendra où chacun va rendre compte devant Dieu. Alors, ces résistances, est-ce ça se trouve au niveau individuel ou collectif ou étatique Est-ce que c'est d'ordre individuel ou collectif Je crois que c'est à peu près à tous les niveaux, d'autant plus que souvent quand les gens viennent, c'est individuel d'abord, ils viennent, c'est des maîtres de pensée, <laughs> bon, je peux des, des maîtres religieux, ils viennent, ils s'aiment, ce qu'ils pensent ils enseignent, ça devient euh, une chose collective. Et après, eux aussi, ils partent, ils sèment. Donc, vous voyez, la semence est en train de grandir. Et aussi, euh, aussi longtemps que cette semence est en train d'être semée, et vous voyez que d'année en année, ça grandit. Il y a les disciples qui grandissent aussi et eux aussi qui, qui perpétuent l'enseignement. Vous voyez ce que ça fait. Donc moi, je crois que euh, il va falloir mettre un accent euh, Nous allons revenir sur les, sur les, sur les pistes de solutions pour... pour mmh, donc, euh, Barham, ces, résistances, vous, trouvez que ça se trouve, c'est des résistances d'ordre individuel. Est-ce que c'est juste quelques individus qui résistent encore à, cet état d'esprit d'instaurer de, instaurer le dialogue, ou bien c'est des groupes d'intérêt qui sont là, euh, qui font, qui font bloc, ou en tout cas, ça se trouve au niveau étatique. Quel est votre point de vue sur la nature de je que Midou a dit ça. Euh, c'est des influences. Euh, vous, avez aussi, vous avez parlé aussi de groupes d'intérêt. Euh, si vous remarquez les deux grandes religions, les murs, le mur qui les sépare, paraît pourtant plus épais, je dis paraît que le mur qui sépare les différentes sensibilités à l'intérieur. Mais pourtant, on a pu franchir ce mur. En réalité, ce mur n'est pas aussi Épais. Donc pourquoi Parce que les religions euh, les deux religions, y compris, on a tendance à oublier le judaïsme qui, fait partie des trois euh, religions monothéistes, c'est parce qu'il n'y en a pas ici. Mhm. Donc euh, c'est pourquoi on a tendance à parler seulement de musulmans et chrétiens. Donc on a vu que ces deux religions ne sont pas manipulables elles ne sont pas manipulées dans leurs fondements. Pourquoi Parce que le Coran est déjà fait, c'est clair. La Bible est déjà faite, c'est clair. On ne peut pas les manipuler. Hmm. Mais qu'est-ce qui, qui, est manipulé alors C'est à l'interne il y a des groupes d'intérêt, comme vous l'avez dit, si je peux le dire entre guillemets. Mhm. En tout cas, il y a des sensibilités. Certaines de ces sensibilités sont porteuses d'idéologie politique. Certaines sont porteuses même d'idéologie de haine, comme l'avait dit Pasteur. On est en train de tuer à Difa gratuitement. Vous, en faisant faites allusion à Boko Haram. Voilà, en faisant fi de tout ce que, dont l'islam est porteur comme message d'humanisme. Et on tue aveuglement. Ça, c'est une manipulation. Donc, ce n'est pas seulement les individus qui sont manipulés. On peut y, revenir pour vous dire qu'à l'intérieur même d'une même sensibilité, il y a encore des sous-clans. Dans les sous-clans, tu peux trouver des individus qui sont encore plus extrémistes que les autres. Que les autres. Donc, ça ne finit pas. C'est pourquoi les jeunes doivent faire très attention. Les jeunes doivent prêcher la modération. Donc, oh, ce sont les groupes qui sont manipulés. Tu peux trouver même dans les religions deux groupes à l'Intra, par exemple, deux groupes, l'autre a des fondements, l'autre est foncièrement pacifiste, l'autre ne l'est pas. Dans un même groupe Dans un même groupe religieux. Vous pouvez le trouver. Donc, ça peut donner l'impression que les gens s'est mangé. Or, en réalité, euh, c'est un groupe, ou bien à l'intérieur d'un seul groupe, il y a un clan qui faisait ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Père Antoine, chez nous, euh, on voit un peu avec euh, Cheikh Barham mm. la difficulté du, dialogue intra-religieux, c'est que euh, souvent il y a des manipulations qui peuvent être sous-jacentes, qui peuvent être, là. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui compliquent ces dialogues Est-ce que la résistance se trouve au niveau du groupe d'intérêt, d'individus Oh, moi je connais bien l'Église catholique, je suis catholique. Notre chance dans l'Église catholique, c'est qu'on a des chefs. On a des chefs, les, évêques, euh, au niveau d'un diocèse, d'une région géographique. On a bon, le pape qui nous donne des directives et qui essaie de maintenir l'unité de, toute, la, catholicité des, catholiques là. Et ça, ça nous aide beaucoup. Parce que même à l'intérieur là, on, a du travail à faire pour, euh, avec des mentalités différentes, mais c'est normal. Hein. Un, Européen n'est pas un Africain, un Africain n'est pas un Asiatique et tout. Donc euh, les, tendances sont, différentes. Mais euh, essayez de travailler, et on y travaille constamment pour essayer de voir ça. Il y a la même chose, c'est les orthodoxes qui sont chrétiens aussi, qu'on ne connaît pas ici, c'est toute l'Église d'Orient qui ont les, les grandes les patriarches c'est pareil, ils sont, tenus, enfin ils sont tenus, ils sont tout de même conduits par euh, une, discipline qui est, euh, qui est commune. Voilà. Bon, du côté des églises évangéliques, c'est un petit peu plus difficile parce que là, effectivement, euh, chacun se promène un peu avec sa, Bible et l'interprète avec sa tendance. Là. Et là, l'unité est plus difficile à faire et il est plus difficile aussi de rentrer en contact qu'avec eux parce que là, il y a une multiplicité d'interprétations qui, qui trouble l'unité. Pasteur Zakou Hamidou, euh, les interprétations des uns et des autres peuvent être aussi l'une des euh, raisons euh, de ce blocage. Oui, effectivement. Bon, au niveau de l'Église évangélique, effectivement, il y a là aussi une hiérarchie. Sauf que il y a une multiplicité d'églises qui, qui, sont là aujourd'hui, d'autant plus que, par exemple, moi, je suis des assemblées de Dieu. Et au niveau des assemblées de Dieu, au niveau mondial, il y a quand même une hiérarchie qui est là le respect de la doctrine et puis nous sommes très pacifistes. Mais quelque part, nous voyons euh, d'autres tendances qui sont là, d'autres tendances, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les charismatiques et même des charismatiques libres. Qu'est-ce que cela signifie Voilà, les charismatiques, ce sont des gens qui qui, prônent effectivement euh, l'effusion de l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle le Saint-Esprit parce que Dieu est unique. Mais dans son unicité, au niveau des chrétiens, nous avons ce qu'on appelle la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu en tant que Père, le Créateur de toutes choses, Jésus en tant que la parole incréée, parce que Jésus, en réalité, avant de venir sur la terre, il était divin, incréé, il est la parole donc, euh, parce que dans un texte, il dit, et au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses furent créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, rapidement, les charismatiques. Voilà, euh, donc les charismatiques, il y a des gens qui, qui, mettent trop l'accent sur l'esprit alors qu'ils ne se soumettent pas à l'esprit. Quand vous regardez à la télé, vous allez... Et l'esprit, c'est Jésus. non, non, Jésus, il est, il est le Fils de Dieu chez nous. Il est le Fils de Dieu. Mais l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mm. C'est l'Esprit qui, a été utilisé par Dieu pour créer. Parce que Dieu parle. Quand il parle, son esprit agit. Et c'est là qu'il y a la création. Donc cet esprit-là, Dieu l'a effectivement donné aux hommes pendant le temps passé aux prophètes. Et aujourd'hui, Jésus, quand il est venu, il a aussi donné le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont au-delà de ce qui est réel en ce qui est en considérant, c'est-à-dire il y a des temps, euh, ils ont c'est de l'extrémisme dans leur foi parce qu'ils font des choses souvent même c'est des gens qui font des pratiques vraiment occultes, soit disant que c'est de, de Dieu qu'ils détiennent cela. Donc ces gens-là ils font beaucoup de choses Hein? Voilà, donc c'est ça qui fait que souvent ils sortent, comme Père Antoine l'a dit, avec leur Bible en main, ils sortent à tort, à travers, sans respect en tout cas de la doctrine, ils prêchent n'importe quoi. Et avec ces gens, c'est plus difficile de ils dialoguer. Ils sont plus difficiles parce qu'avec qui tu vas parler C'est des indépendantistes. On les appelle des indépendants. Donc ils n'ont pas de maître et on ne sait pas à qui il faut se référer pour les cadrer. Voilà. Nous allons donc passer à, la troisième et dernière partie de ce forum qui concerne les axes d'amélioration donc à envisager et comment le CEDIR compte réussir cette mission d'instaurer le dialogue entre fidèles d'une même religion et c'est des religions différentes. Cheikh Barham Aboubakar. Oui, euh, au tout début de cette émission, on a, vous avez parlé d'antenne pour le CEDIR. Euh, en réalité, euh, comme l'a souligné euh, Alumaïga, le Sédir n'a que Sédir Niamey, parce que c'est au nom du Sédir Niamey que nous sommes là. le CEDIR pour la région de Niamey n'a que cinq antennes qui ont été installées dans les cinq arrondissements communaux de, la ville de Niamey. Donc, cela dit, il y a d'autres CEDIR qui ont été installés à Difa, à Zender, à Maradi, à Tawa et même à Dosso. Donc, euh, c'est des se euh, qui sont quasi indépendants comme le CEDU de Niamey, puisque c'est des à titre associatif qu'ils ont été créés au niveau euh, régional. Mais avec les mêmes objectifs. Avec les mêmes objectifs. Donc, ça veut, dire qu'on s'achemine vers la création d'un CEDIR national. C'est ce CEDIR national maintenant euh, qui va essayer de mettre en place les grandes stratégies, les, les plans finaux euh, pour la vulgarisation du dialogue au niveau national et pourquoi pas à l'international. Euh, père, Antoine chez nous pour faire en sorte que ce dialogue inter intra-religieux porte l'air fruits Sur quoi comptez-vous mettre l'accent Essentiellement sur la formation. La formation. éduquer les gens à s'habituer à vivre ensemble et à améliorer la, relation au, niveau du quotidien de tous les jours. Ça, il faut absolument qu'on fasse tomber des préjugés, parce qu'on vit beaucoup avec des préjugés. C'est l'ignorance qui fait les préjugés. Et le préjugé euh, fait la peur on finit par avoir peur de l'autre, par se méfier. Et comme on est ignorant, on, va, on, peut même être un petit peu agressif. Euh, voilà. Alors ça, il faut faire, il faut faire tomber ça. Et là, on a un exemple à donner aussi au niveau du sédir, là, et au niveau des sédirs. C'est entre nous vraiment nous apprécier, nous connaître, nous visiter, nous euh, voir qu'on peut vivre ensemble et donner des témoignages dans ce sens. Allô Omega, euh, quels sont les principaux comportement clé que le séduire attend des uns et des autres le comportement, c'est le comportement de tout, comment dire, tout musulman, tout croyant. C'est-à-dire que être humble et surtout ce que qu'on on a toujours dit, le, croyant doit toujours également chercher ce qui est mieux pour lui et le vouloir à l'autre, son frère également. Et dans ce cas, le sédir ne fait pas différence puisque c'est euh, selon les principes de nos religions que nous nous, sensibilisons les gens. Donc il ne faut pas se fatiguer, c'est dans la sensibilisation euh, tous les jours, répéter, répéter jusqu'à ce que cela soit ancré dans l'esprit de tout un chacun que, pour amener les gens à un changement de comportement. Pasteur Hamidou Ouzakou, mm. sur quoi euh, le, le, compte pour promouvoir ce dialogue je pense que pour que vraiment ce dialogue euh, porte ses fruits d'une manière digne, il va falloir qu'il y ait euh, encore davantage des enseignements, des sensibilisations pour, euh, comme Père Antoine l'a souligné, pour pouvoir faire tomber les barrières, les, préjugés. Parce qu'aujourd'hui, je, voudrais le souligner. Hein, il y a certains qui pensent que nous, on est aussi dire parce qu'on est en train d'être gagné par... Euh, certains pensent même que c'est au nom de l'État que nous sommes là. Quand ils nous voient de loin, ils disent que non, ces gens-là, ils sont là-bas parce que euh, c'est le gouvernement qui est en train de les payer, euh, ils sont pro-politique, etc., Alors que non, nous, en tant que membres de CEDIR, nous ne sommes pas payés par le gouvernement. nous, travaillons, en tout cas, avec des structures qui veulent nous épauler pour pouvoir travailler dans le but de promouvoir la paix sociale et puis le dialogue entre frères et sœurs. Donc, euh, euh, c'est vraiment euh, la sensibilisation. Moi, je crois qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation, sur la formation, sur des enseignements. Et là, il faut peut-être qu'on touche aussi d'autres tendances qui ne sont pas encore représentées. Et est-ce que cette sensibilisation doit porter sur les points communs ou sur des points divise C'est-à-dire la sensibilisation, on doit le faire euh, de manière à ce que euh, tous les, d'abord les, préjugés, les choses sur lesquelles les gens ont des pensées, il faut qu'on les étaye, il faut qu'on expose les choses, que les gens comprennent la réalité même, le CEDIR, pourquoi le CEDIR est là, comment le CEDIR a été créé, quels sont les objectifs du CEDIR, qu'est-ce que le CEDIR est en train de faire Quand on parle de ces choses-là, au fur et à mesure que les gens voient, ils entendent, je crois qu'il y aura un changement de mentalité, et ça va permettre aussi CEDIR de bien s'asseoir et pouvoir faire son travail comme cela se doit. Euh, Père Antoine, rapidement. Oui, rapidement. Quand on fait des sessions, par exemple, on en a fait avec Sheikh Baram ou comme ça, dès le premier jour, quand on fait sur plusieurs jours, on pose un questionnaire on divise, on divise l'assemblée là, les chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre. Qu'est-ce que vous trouvez de bien dans la religion de l'autre qu'est-ce qui vous énerve ou qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la religion de l'autre. Dites, dites, dites. Et alors on remplit le tableau. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Et après, il y beaucoup... et après là, là, on explique chacun explique comment, euh, comment il vit, ce qu'il vit. Et ça ça, ça, oui, ça fait tomber beaucoup, beaucoup, de barrières et de préjugés. C'est très, très positif. Cheikh Barham, dernière question. Quelles sont les ambitions du CEDIR à court, moyen et long terme Oui, comme l'a si bien souligné Pasteur, le CEDIR à politique. C'est une association libre de, gens qui sont vraiment ouverts au dialogue et qui croient que nos religions sont des religions de dialogue, sont des religions qui peuvent vraiment euh, conduire le monde vers la paix et surtout euh, les régions peuvent être euh, la solution au problème que vit notre pays à l'heure actuelle. Euh, c'est pourquoi, comme tout musulman sincère, comme tout chrétien sincère, nous sommes engagés pour le dialogue. Et je pense que le dialogue, c'est une idée, ce n'est qu'une étape. il suffit de retourner à son livre saint pour découvrir qu'il y a ce dialogue, il y a cette euh, tendance à la paix sur chaque page. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à court terme à, ce que le CEDIR soit présent dans les régions de Tilaberi et d'Agadez Oui, effectivement, si ce n'est déjà fait. On attend incessamment la mise en place du CEDIR national. Nous sommes arrivés au terme du forum de ce soir. Je rappelle que parmi les résultats que le CEDIR a déjà récoltés, notamment dans ses activités de, de promotion du dialogue, il y a ce changement de regard sur l'autre qui est en train d'être observé et notamment, néanmoins, il reste encore beaucoup de travail à faire, des difficultés. La difficulté d'instaurer le dialogue en intra-religieux reste l'une des préoccupations majeures du CEDIR, auquel le CEDIR compte d'ailleurs s'y atteler, notamment en prenant comme arme la formation, la sensibilisation, la formation à l'endroit des formats, à l'endroit de ceux qui sont chargés de mener les animations et à l'endroit aussi des fidèles pour faire tomber les barrières. Fidèles auditeurs, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Nous étions avec Père Antoine nous, secrétaire général adjoint du SEDIR, Pasteur Zakou, trésorier du SEDIR, Cheikh Barham Aboubakar Kyota, président SEDIR, Alou Maïga Hama, secrétaire général du d'ICEDIR, présentation à la Sankouzi, réalisation Diallo Aboubakar, à la technique Hassan Tawai. Rendez-vous demain même heure, même fréquence pour une autre thématique au forum du studio Kalongo. Au revoir.